Fidèles auditeurs euh, et auditrices, euh, bonsoir et bienvenue dans le forum euh, du studio Kalangu. Aujourd'hui, nous allons parler des violences basées sur le genre en période de conflit et dans les situations d'urgence. Quand nous disons violence basée sur le genre, c'est pour parler de toutes ces personnes qui sont violentées ou souffrent de divers maux du fait de leur appartenance à un genre. En connaissez-vous peut-être Eh bien, c'est de ces violences que nous parlerons tout au long de ce forum de trois quarts d'heure, dans un premier temps, nous irons à la découverte de ces violences avant de nous apaisantir dans la seconde partie de cette émission sur comment lutter contre cette catégorie de violences basée sur le genre au Niger. Pour en débattre, nous sommes heureux de recevoir dans ce studio Monsieur Alfred Goubagué, il est juriste de formation et président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme, Raza Press DIH-DH. Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Michel. Notre deuxième invité c'est Madame Fana Waziri. Elle est la représentante de l'ONG Femmes Action et Développement une ONG qui lutte dans le cadre de la promotion des droits humains, mais également des droits de la femme de façon particulière. Fana, bonsoir. Bonsoir, monsieur Michel. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Avant d'entrer dans le vif du sujet, monsieur Alfred Goubaye, que signifient de façon générale les violences basées sur le genre et quel est le lien que ces violences ont avec euh, les droits humains Merci, Monsieur Michel. Je voudrais profiter de votre micro pour, une euh, fois de plus, remercier le studio Klangou euh, pour cette invitation afin de discuter de ce thème très important qui comporte souvent beaucoup de tabous, des questions qu'on n'en parle pas, mais qui devrait normalement être discuté afin de trouver des solutions pour euh, la sauvegarde mhm. ou bien pour le respect du droit de toutes ces personnes victimes de ces mhm. violences basées sur le genre. Merci une fois de plus. Au Merci à vous également d'être venu. Je vous en prie. Mhm. Euh, s'agissant de la définition des violences basées sur le genre, il faut dire qu'en 2015, il y avait eu euh, une étude sur l'ampleur des déterminants sur les violences basées sur le genre. Mhm. Euh, cette étude a ressorti une définition claire et concise mhm. des violences basées sur le genre. Alors, selon cette étude, les violences basées sur le genre peuvent être considérées comme toute forme de violence, mhm. qu'elle soit physique, psychologique, sexuelle, économique, politique ou culturelle, commise sur une personne ou une communauté et dont la cause est fondée sur le sexe, sur l'âge, l'ethnie, mhm. la culture, la religion, la résidence rurale ou urbaine, la situation, matrimonial, etc. C'est vrai que quand on parle du genre, c'est d'abord le sexe, mais comme vous avez eu à l'expliquer, c'est important de le préciser justement, ça va au-delà. Ça va au-delà du sexe. Ça peut concerner une communauté, par exemple les personnes handicapées, lorsqu'on ne prend pas en compte euh, leurs droits et créer les conditions pour qu'ils aient justement accès à l'éducation, à, la santé de façon particulière. On peut également parler euh, à ce niveau du genre. Merci pour la précision, Alfred Goubadieu. Je rappelle que vous êtes le président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme, Raza Press, DIH, DH, vous êtes juriste par ailleurs. Madame euh, Fana Oziri, avant d'entrer dans le vif euh, du sujet, que faites-vous au niveau de l'ONG FAD pour lutter contre ces violences euh, basées sur le genre bonsoir, Monsieur Michel. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup d'avoir invité l'ONG FAD à mm. participer à ce débat interactif. L'ONG FAD est une euh, organisation qui a été créée le 23 avril 2010, je peux le dire, mhm. et qui œuvre pour euh, la défense des droits de la femme au Niger. Parce que mhm. quand on parle de femmes, quand on parle de filles, on sait que nous sommes majoritaires et que nous sommes les plus vulnérables mhm. dans ce pays. Mhm. Et l'ONG FAD a comme objectif premier de lutter contre toute forme de discrimination, violence à l'égard des femmes, c'est-à-dire les violences basées sur le genre, les filles et les femmes qui sont discriminées en période de conflit. Ça, c'est de façon générale, donc, euh, ce que vous faites euh, dans le cadre de la promotion des droits de la femme et de la lutte contre les violences basées sur, le genre. Nous allons justement arriver aux violences basées sur le genre en période de conflit, mais d'abord euh, essayons de comprendre ce que c'est les conflits et les situations d'urgence. Monsieur Alfred Goubadieu, juriste, euh, expliquez-nous les conflits, qu'est-ce que c'est, ainsi que les situations d'urgence. Alors, il faut retenir que euh, les conventions de Genève du 12 août 1949 et leur protocole additionnel ont prévu un certain nombre de conflits armés, mhm. parmi lesquels on peut avoir ce qu'on appelle les conflits armés internationaux. Entre les, États. les conflits armés internationaux sont les conflits qui opposent euh, les États, c'est-à-dire mm-hmm. l'armée régulière de deux États. Mm-hmm. Par exemple, l'armée d'un État A qui fait la guerre à l'armée d'un État B. Mm-hmm. À côté de ces conflits, bon, disons toujours dans cette catégorie de conflits, vous avez les conflits dans lesquels le peuple lutte pour leur droit à l'autodétermination. Vous avez eu par exemple le cas du Soudan du Sud. Avant, on n'avait pas la création de, cet État. Mais vous avez vu, c'est une partie qui a pris les armes, qui a commencé à lutter hum. pour leur droit à l'autodétermination. Vous avez vu, après, euh, hum, hum. nous avons assisté à la création de l'État. Donc, ces conflits dans lesquels le peuple lutte au nom du droit à l'autodétermination sont considérés par le droit international humanitaire comme des conflits armés internationaux. Vous pouvez avoir également des, conflits armés euh, non internationaux. Là, c'est des conflits qui opposent à l'intérieur des territoires d'un État, mhm. l'armée régulière d'un État face à des groupes armés organisés sur le territoire de l'État. Mhm. Quand vous avez, par exemple, euh, dans un État donné, des groupes armés qui prennent les armes et qui luttent contre l'armée régulière à l'intérieur, je précise bien, des frontières de cet État, là, nous sommes en face d'un conflit armé non internationale. Mhm. Mais Par exemple, quand l'État du Niger combat les terroristes qui prennent des armes et qui massacrent euh, des populations à l'intérieur du pays, on parle à ce niveau cela comme de conflit, armé, non, international. Mais mhm. là, il faut nuancer puisque mhm. les règles ne sont pas les mêmes. Il y a tout un ensemble de règles qui peuvent changer la nature du conflit. Mais si on s'en tient à la définition stricte, conflit dans lequel un État mhm. lutte contre des groupes armés organisés sur son territoire. Là, nous sommes dans le cadre de conflits. Mais par exemple, si on va rentrer au fond, c'est beaucoup de questions, par exemple, ce qui se passe actuellement. Donc, pour plusieurs acteurs, ou bien mhm. pour la doctrine, cela peut changer la nature du conflit en mhm. fonction des acteurs en présence, en fonction des interventions d'autres États, d'autres facteurs, du soutien apporté. Donc, franchement, c'est beaucoup. Mais contentons-nous tout simplement de retenir qu'un conflit armé non international, c'est ce conflit qui oppose l'armée d'un État à des groupes armés organisés sur son territoire. Mhm. Maintenant, à côté de ces deux types de conflits, et c'est ce qui va encore beaucoup nous intéresser dans ce forum, c'est ce qu'on appelle les troubles et tensions internes, les TTI. Les troubles et tensions internes n'ont pas atteint le degré ou le seuil d'un conflit armé international ou non international. Le degré de violence n'est Les mouvements sociaux, par exemple, les manifestations où euh, parfois il y a des violences, les biens publics sont saccagés, c'est bien cela Très bien. Là, mhm. comme vous venez de le dire, mhm. euh, vous voyez quand euh, au nom de certaines revendications, par exemple, quand les étudiants se mettent à manifester ou les acteurs de la société civile se mettent à manifester et sortent mhm. un peu partout dans la ville. Donc ça, c'est des situations de troubles mhm. dans la société. Quand euh, c'est pas pacifique, parce que normalement, pacifique, ça doit être pacifique normalement. Tout à fait. Quand c'est mhm. pas pacifique, et donc ce, ce, ce trouble ou bien ces troubles ne sont pas régis de la même manière là le droit international humanitaire les réserve à un autre type de droit mhm. qu'on appelle le droit interne de l'État. Par exemple, quand il y a des dégâts, quand il y a, si vous voulez, des atteintes aux biens privés, etc. Là, c'est le droit interne, c'est le code pénal mhm. qui s'applique, etc., etc. Donc, voilà schématiquement mhm. les différents types de conflits que je peux vous présenter. Il y a aussi des situations d'urgence où on voit il n'y a pas de conflit dans la zone, mais on voit des populations qui se déplacent, on a un nombre important de déplacés internes, des femmes qui souffrent, des enfants qui n'ont plus accès à l'éducation. Comment on définit ces situations d'urgence euh, Très bien, vous faites bien de le préciser, mhm. parce qu'effectivement, euh, le droit humanitaire peut s'appliquer et en période de conflit mais aussi en période de paix. Parce qu'en période de paix aussi, vous avez des circonstances ou bien des situations de crise mm. ou des situations d'urgence qui peuvent intervenir où le droit international humanitaire a vocation à s'appliquer. Mm. Quand par exemple, si vous voulez, au nom des catastrophes naturelles, des famines, des mm. sécheresses, des inondations, vous voyez, les populations sont appelées à quitter leur lieu de vie habituel pour chercher un autre endroit. Donc là, cela fait appel à des mouvements de population. Mm. Donc, dans ce genre de circonstances, le droit international humanitaire intervient pour prendre en charge à travers l'assistance humanitaire qui est faite à ces populations. Mais vous avez précisé, par exemple, le cas des déplacés internes. Mm. Là également, il y a tout un national juridique, il y a toute une politique qui est engagée pour prendre en compte, pour protéger et respecter et faire respecter le droit des populations déplacées. Au Niger, par exemple, nous avons plusieurs personnes déplacées, mais qui, dans la plupart des cas, euh, sont déplacées du fait de ce que vous connaissez très bien, mhm. les conflits dans l'extrême nord du, du Niger, mhm. dans la région de Tlaberi, dans la région de Difa, les déplacés du Nigeria qui sont venus, et aussi on a aussi euh, les réfugiés du Nigeria qui sont venus au Niger. Mhm. Et vous avez aussi euh, les questions des réfugiés du Mali qui sont mm. arrivés. Mm. À ces populations s'ajoutent également, puisque il faut aussi nuancer. Les déplacés. les réfugiés, il y a des femmes, il y a des, femmes enfants, et des enfants. Il faut, distinguer les deux. Mm. Les déplacés, c'est ceux-là qui, à l'intérieur d'un État, quittent un point un autre à l'intérieur du territoire de l'État. Les déplacés internes. Les déplacés internes. Les réfugiés, c'est lorsque vous quittez un pays pour venir chercher refuge dans, un, autre, pays. Voilà. par exemple, nous avons des réfugiés maliens, nous avons des réfugiés nigériens, nous avons des réfugiés d'autres États. Par contre, si quelqu'un quitte Tawa pour aller à Aviv, c'est un déplacé interne, parce qu'il est citoyen de son pays. Merci à vous pour cet éclairage. Madame Fana Waziri, nous constatons que lorsqu'il y a justement ces différentes situations de conflit, mais aussi de situation d'urgence, les femmes souffrent. Pourquoi ces souffrances euh, des femmes pendant cette période, Madame Waziri Fana, représentante de l'ONG Femmes Action et Développement ces femmes se retrouvent dans une situation vulnérable avec des familles avec elles. Mhm. Ces femmes doivent prendre soin de leurs enfants. Du coup, elles sont des déplacées. Elles quittent un endroit pour venir à un autre sans connaissance du lieu, sans avoir des ressources pour prendre soin de leur famille, mhm. sans avoir quelque chose, par exemple des économies ou bien en euh, fonction, un commerce qu'elles peuvent faire à cet mhm. endroit. Du moment qu'elles sont déplacées, elles sont pas bien intégrées par, euh, parfois dans la société qui les accueille ou bien dans le refuge qui les accueille. Du coup, ces femmes se retrouvent être vulnérables, elles se retrouvent être délaissées à elles-mêmes, hmm. délaissées face à la société. Elles étaient là, elles sont là, elles sont sous la coupe de leur mari ou bien sous la coupe de leur famille. En cas de conflit et de déplacement, ces femmes se retrouvent à être parfois seules, mhm. sans mari, sans famille. Mhm. Donc prendre soin de la famille, c'est quelque chose de nouveau pour elles. c'est vrai que quand elles se déplacent, il n'y a plus d'opportunités de faire du commerce, même si vous êtes habitué. Justement, parce que mhm. parfois elles se retrouvent rejetées par le lieu de refuge où elles ont été accueillies. Elles sont là, la population ne les a pas accueillies, la population ne les intègre pas. Elles ne sont pas intégrées en partie, si je peux le dire, mhm. dans le lieu qui les accueille. Mhm. Du coup, elles se retrouvent un peu perdues par mhm. rapport à cette situation. Elles sont vulnérables, elles se retrouvent perdues, elles sont là, violées, violentées, rejetées, pas de source de revenus, pas de source de commerce et une famille sur le dos à protéger. Merci à vous. Alfred de Goubaye, quels sont les différents types euh, de violences basées sur le genre qu'on enregistre euh, le plus souvent pendant les périodes de conflit et les situations d'urgence. Elle a parlé de vulnérabilité des femmes, mais cette vulnérabilité est à la base euh, de quel type euh, de violence basée sur le genre Merci pour cette question très pertinente. Vous avez par exemple les, les violences mhm. économiques comme la représentante de l'ONG l'a dit tout à l'heure. Mhm. Les violences économiques. De violence économique, ça veut dire quoi C'est, si vous voulez, le manque d'accès aux ressources. Mhm. Quand par exemple un conflit armé ou une situation de violence ou de se déchaîne, les populations qui avant avaient la possibilité de cultiver leurs terres mhm. n'ont plus cette possibilité. D'ailleurs, vous êtes en train de fuir pour sauver votre vie. Mhm. Vous n'avez pas le temps de rester euh, cultiver, travailler, etc. Les marchés ne peuvent plus s'ouvrir parce qu'il y a la situation qui est là. Donc les gens sont obligés de fuir, mm. tout abandonner. Donc si je m'arrête sur ces deux exemples, vous voyez déjà que le manque de, de, travailler dans ce sens, le manque du marché, le manque de cultiver, prive les populations des moyens de subsistance. Mm. Donc voilà, si vous voulez, un exemple palpable de violence économique en période de conflit armé. Et vous pensez que ces violences, on les constate beaucoup plus euh, du côté des femmes que des hommes, c'est ça euh, Du côté des femmes et des hommes, de tous les côtés, mais pourquoi la femme et l'enfant ou bien la fille Parce que c'est, si vous voulez, des sexes, si vous voulez, vulnérables, si on peut le dire. Mhm. La femme, elle est vulnérable par rapport à l'homme. L'homme a une certaine capacité de résilience par rapport à la femme. Mhm. D'ailleurs, dans toutes les sociétés, il appartient à l'homme de prendre en charge la femme. Et de surcroît, voilà les questions de conflits qui interviennent ou les situations de crise qui interviennent. Donc c'est pourquoi la femme et l'enfant, ou bien et les enfants de manière générale, se trouve être vulnérable pendant mhm. L'homme, lui, il peut soit quitter, aller se débrouiller de toutes les manières, et, et la femme et l'enfant. Et même vite aller en exode. Et aller en exode. En dehors de la violence économique, euh, vous avez les, violences culturelles. Violences culturelles. Parmi les violences culturelles, nous pouvons citer par exemple les mariages précoces mhm. ou forcés. Vous avez également la déscolarisation de la jeune fille. Nous avons mhm. traité de cette question-là dans la région de Tilaberi. Parce que pour certaines cultures, mieux vaut permettre à la petite fille mhm. d'aller se marier très tôt mhm. pour éviter les grossesses non désirées ou les, les, les, les grossesses hors mariage, etc. Mhm. Donc il y a la question de la déscolarisation de la jeune fille qui Ça est là. qu'il y a des conflits, il y a des risques que la jeune fille ne parte pas à l'école. Nous avons reçu des témoignages touchants par rapport justement à cette question de la déscolarisation de la région de Telabéry. Imaginez quand le conflit euh, se déclare dans une zone, les, les, les, parents sont obligés de quitter cette zone. Mais en quittant cette zone, ce n'est pas toutes les filles qui ont la possibilité de retrouver l'école. Pour d'autres, l'école, c'est fini. D'autres, par contre, trouvent des familles d'accueil dans un autre village où elles arrivent à étudier. Mais quand, bien même elles viennent, elles ne viennent pas dans les mêmes conditions que les autres. Elles n'ont pas les mêmes chances souvent que les autres parce que déjà, ce traumatisme est là. L'adaptation est là. Donc, ça impacte leurs résultats. Mhm. Mais Dieu merci, les témoignages que nous avons reçus euh, vraiment sont encourageants. Mhm. Parce que des mesures sont en train d'être prises dans le sens d'identifier ces filles qui viennent de ces zones de conflit mhm. afin de les accompagner et de leur permettre d'être dans les mêmes conditions pour pouvoir réussir les autres. Par exemple, on va voir les exemples de solutions qu'il faut en pareille circonstance. Vous, avez, parlé de violence euh, économique, vous avez parlé également de violence culturelle. Dans violence culturelle, vous avez parlé de la déscolarisation de la, jeune fille. Vous avez les mutilations génitales, par exemple. Les mutilations génitales. C'est des situations qu'on peut retrouver et en période de paix et en période de conflit. Mhm. Mais ce que nous voulons dire, c'est que il faut juste faire le lien. Ceux qui pratiquent ces genres d'actes mhm. estiment que il faut empêcher à la femme ou bien à la petite fille, il faut la protéger. Mhm. Et donc, vous savez qu'en période de conflit, Madame Fana a parlé tout à l'heure des, viols, mhm. par exemple. Dans la région de Terra, nous avons appris ce qui s'est passé. le fait de, mutiler, par exemple, euh, ces jeunes filles, pour, je, me mets un peu dans l'esprit de, de, ces, mhm. de ces zones, quoi. C'est pratique préserve la jeune fille, mhm. permette de protéger. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent que la jeune fille, elle va être plus vulnérable à la société et donc il faut prendre des mesures pour qu'elle ne euh, soit pas dans une situation qui va vite faire qu'elle tombe enceinte. Tout à fait. D'autres, par contre, nous ont même dit mhm. mieux vaut la donner en mariage forcé. Mhm. Donc justement pour la protéger, pour empêcher il y a le mariage forcé. avec. Dès qu'il y a euh, scolarisations, il y a donc des liens entre déscolarisation et mariage forcé. Les deux vont de pair, si, mhm. vous, si vous voyez. Mhm. Donc en fait, tout ceci est la résultante d'une seule situation, qui mhm. est le conflit. C'est le conflit qui amène ces genres de pratiques. Je voulais dire la déscolarisation, je voulais dire le viol, je voulais dire le mariage forcé, je voulais dire le mariage précoce, le mariage d'enfants. S'il n'y avait pas, par exemple, la situation de conflit, peut-être forcément dans cette zone-là, on ne va pas assister. Parce que les parents se disent que, puisque nous sommes en situation de conflit, nous sommes vulnérables économiquement parlant, mhm. mieux vaut donner nos filles en mariage. Parce que souvent, on n'a pas. Peut-être qu'elles vont quitter même la localité, elles vont aller ailleurs. Vous avez les agressions, les coups et blessures, par exemple, qui peuvent aussi intervenir. Parce que en situation de crise, il n'y a pas souvent le contrôle. Mhm. Les uns et les autres, les différents acteurs peuvent se laisser entraîner par la violence gratuite. Mhm. Et cette violence gratuite peut se retrouver sur les familles. Mhm. Par exemple, à Terra, pour le cas du viol, vous avez entendu que euh, c'est des gens qui sont pris à une famille, qui sont pris mhm. à une famille. Donc, vous voyez Il y a eu des menaces même avec des armes à feu. Avec des armes. Et cela peut aussi amener des violences physiques, des coups et blessures sur la personne humaine. Donc, vous pouvez vraiment résumer ou bien schématiser tout cela dans les violences économiques, le manque de ressources, dans les violences physiques qui consistent à l'atteinte sur l'intégrité physique de, la personne, de l'individu. Mhm. Vous pouvez aller sur euh, ces, violences culturelles, mhm. notamment le mariage précoce, le mariage forcé, les mutilations, etc. Vous pouvez aussi avoir euh, des violences psychologiques. C'est mhm. important. À ce niveau, c'est quoi La peur, par exemple. Les femmes ont plus peur, vous pensez Je vous donne un exemple tout banal. Quand par exemple un village est attaqué, le lendemain pour aller à l'école, la jeune fille aura du mal parce qu'elle s'est dit que sur le, chemin de l'école, qu'est-ce qui va se passer mhm. Sur le chemin de l'école, mhm. qu'est-ce qui va se passer D'ailleurs, même les parents dans euh, la ville, par exemple, ont peur parce qu'ils ne savent pas à quel moment ils seront attaqués. Mhm. Donc vous voyez qu'il y a cette violence psychologique, les gens sont sur le qui-vive on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Mhm. Donc sur le chemin de l'école, nous avons appris euh, qu'il y a beaucoup qui ont été aussi menacés dans ce sens de ne mhm. plus aller à l'école. Donc vous voyez que sortir, aller à l'école, s'occuper des, des, activités quotidiennes mhm. est un problème. Avec l'attaque des marchés récemment, des, des, des, des, gens qui revenaient du marché. vous voyez Donc, beaucoup ont aujourd'hui peur C'est se rendre marché il y a cette psychose qui est là, qui constitue une conséquence logique des violences en période de conflit. Mhm. Les, voyez. Donc là, ce sont les, les, merci, merci à vous, Madame Fana Waziri. À votre niveau, quelle lecture faites-vous de toutes ces différentes euh, violences qu'on voit qui freinent euh, l'émancipation de la femme et qui déstabilisent la jeune fille Pour nous, la lecture qu'on peut faire de toutes ces violences, c'est comme il l'a dit, ça crée une psychose, une peur au niveau de ces femmes et de ces filles. Mm-hmm. Donc les femmes ont peur, les filles ont peur de sortir. Il a parlé d'attaque. Mm-hmm. Aujourd'hui, si une fille part à l'école et qu'il y a une attaque, un coupeur de route qui viole ou violente une fille, toutes les filles de ce village ont peur d'emprunter cette route pour aller à l'école. Mm-hmm. On constate alors, comme il l'a dit, les mariages précoces, les mariages forcés, parce que les parents trouvent qu'en donnant en mariage leurs enfants, leur fille sera plus en sécurité que de les laisser aller à l'école mm. et de les laisser aux mains des bandits, mm. au moins des conflits armés. Du moins qu'en cas de violence, en cas de conflit, on ne sait plus qui est qui, qui protège qui, mm. qui fait quoi. Et donc, il y a cette peur, cette psychose qui fait que les filles sont mariées, sont données en mariage au bas âge, quittent l'école rapidement le plus possible pour pouvoir se protéger, pour pouvoir ne pas être vulnérable et aussi pour pouvoir protéger économiquement leurs parents. C'est justement ce qu'il a eu à expliquer, mais mhm. selon vous, qu'est-ce qui est à la base, quelles sont les causes profondes de ces différentes euh, violences basées sur le genre en période de, conflit et dans les situations d'urgence Ce sont ces conflits qui amènent toute cette psychose au niveau national, au niveau des villages, au niveau de ces femmes. Donc tant qu'il y a conflit, il y aura cette puisque ce sont les causes profondes de cette violence basée sur le genre et aussi la vulnérabilité des femmes en général. Merci. Nous allons aborder à présent la deuxième partie de ce forum de Studio Kalongo. Monsieur Alfred Goubagué, quelles sont les différentes protections prévues alors par les tests nationaux et le droit international humanitaire DIH pour lutter contre ces violences alors, euh, il faut dire qu'au niveau national et au niveau international, il y a tout un arsenal juridique mis en place. Et nous savons que les textes ou les lois euh, sont prises pour euh, réglementer un secteur, pour sécuriser et protéger. Et s'agissant des questions de violence et des questions de conflit, nous avons également tout un ensemble de textes vous avez par exemple les conventions de Genève du 12 août 1949, dont j'ai parlé tout à l'heure et leur mhm. protocole additionnel qui définissent de manière générale le droit des conflits armés mhm. pendant la guerre, qui il faut toucher, qui il faut pas toucher, quel bien toucher, quel bien il faut pas toucher. Quelles sont la protection, la protection. Et vous avez par exemple la quatrième convention de Genève mhm. qui est spécifiquement consacrée aux populations civiles. Et euh, parmi les populations civiles, les femmes et les enfants. Donc, sont les plus Qui sont les plus vulnérables. Très bien. Donc, vous avez par exemple au niveau du cadre juridique, mhm. un certain nombre de textes, tels que euh, euh, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention sur le consentement au mariage, vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez la Convention de l'OIT sur l'intégration des pires formes de travail des enfants. Il y a tout un arsenal. Mhm. Je ne peux pas citer tous ces textes, mais ils sont là. Vous avez le Pacte euh, international sur les droits civils et politiques, mhm. la Charte sur l'élimination de toute forme de violence à l'égard de la femme et de l'enfant, etc. Donc, ça, c'est au niveau régional et international, plus mhm. les conventions de Genève, mhm. notamment la quatrième convention dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, en dehors de cet arsenal juridique, au niveau national également, vous avez des textes. Mhm. Vous avez par exemple le décret numéro 2017-935 PRN, ME, LN MES du 5 décembre 2017 portant protection, soutien et accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité et ses arrêtés d'application. C'était une décision récente, on se C'est quoi la particularité de cette décision mhm. C'est-à-dire, pendant justement ces périodes de conflit, et même au-delà, même en temps de paix, la particularité de ces décrets, c'est que, et les arrêtés d'application, puisqu'après, il y a eu des, des, arrêtés mhm. qui rendent applicable ce décret. Bien sûr toute personne, par exemple. Le décret, il est pris par le président de la République. Les arrêtés, c'est au niveau de chaque ministère. Concerné qui, la population prend son arrêté pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons l'enseignement primaire. Actuellement, c'est l'éducation nationale. allez mhm. Donc, la particularité, disais de ces textes, ce décret et ces arrêtés d'application, mhm. c'est qu'ils font quelque part obligation à toute personne mhm. qui voit, qui entend ou qui, de manière, constate que les conditions pour l'épanouissement ou euh, la, scolarisation de la jeune fille sont compromises et qui ne fait rien, et en fait que cette personne soit sous la sanction de ces textes. Mhm. Donc, on a une sorte d'obligation d'accompagnement, de soutien de la jeune fille pour mhm. aller à l'école. Mhm. Donc, il y a une volonté quelque part affichée, une volonté politique, dans le sens de permettre à la jeune fille d'aller à l'école. Et vous voyez qu'en période de conflit armé, c'est difficile. Il y a un contraste qui est là, puisque les zones sont en conflit il n'y a pas la possibilité. d'aller. Donc c'est pourquoi là également. Ça veut dire que tous ces tests-là que nous avons s'appliquent même pendant les périodes de conflit. S'appliquent même pendant les périodes de conflit. Bah, d'autant plus que par exemple, on a vu euh, que euh, au niveau de, de, la région que nous mhm. avons visitée, l'État a pris les mesures, ou bien en tout cas avec l'appui des ONG, mhm. avec l'appui des COGES, des directions euh, de Les partenaires de l'État à ce que ces personnes victimes soient transférées dans d'autres écoles mhm. pour ne pas que leurs études soient brisées, par exemple. Mhm. Et c'est pourquoi tout à l'heure je disais qu'il y a eu des conditions qui sont prises pour leur donner les mêmes chances que les autres. Mhm. afin qu'elles puissent étudier dans les meilleures conditions. Merci. Nous allons revenir sur d'autres tests euh, et mécanismes de protection qui sont en vigueur contre justement ces violences basées sur le genre, en particulier en période de conflit. Fana Oziri, il a parlé justement de ce décret qui avait été applaudi à l'époque, c'était en 2017, portant sur euh, la protection de la scolarisation de la jeune fille. À votre niveau, pensez-vous que toutes euh, ces décisions contribuent à lutter efficacement contre ces violences basées sur le genre de façon générale et les violences basées sur le genre en période de conflit de façon particulière. Je précise que c'est un décret accompagné par l'ONG FAT de notre point de vue, du côté de l'ONG FADUI, c'est mis en application. Mais mm. maintenant, quand on se retrouve en zone de conflit... C'est mis en application. Vous avez constaté des cas, par exemple, où il y a eu application de ce décret. Vous pouvez nous citer des exemples. On a eu à faire euh, sillonner plusieurs écoles mhm. de Niamey et où il y a eu ils ont eu à appliquer ce décret. Mhm. En quoi faisant, par exemple En accompagnant ces filles au niveau scolaire, en mhm. les accompagnant même en étant... Et, c'est-à-dire un renforcement de capacité, mhm. même en étant à la maison. C'est ce qu'il a dit à l'instant dans la région de Tilabéry où ils ont mené des actions parce que les il a dit accompagner aussi de mhm. façon technique avec des livres, des cahiers pour les filles qui n'ont pas accès à l'électricité avec des lampes solaires, des lampes euh, chargeables et tout. Mhm. L'ONG FAD a eu à faire ça, a eu à accompagner ces filles. A constaté, vous avez constaté. On a constaté et on a accompagné aussi ces filles. Mais en zone de conflit, Là, c'est une période de conflit. Là, on se retrouve un peu en contraste, mhm. puisque l'école est fermée. Les, les, les maîtres même quittent l'école, les mhm. enseignants quittent l'école pour se réfugier autre part. Les enfants, les villageois quittent l'école pour se retrouver parfois dans une zone mhm. où il n'y a pas d'école, où ces filles ne peuvent pas être intégrées. Du coup, on se retrouve euh, dans une zone où manque d'école, manque d'infrastructures, manque d'enseignants. Et c'est difficile d'appliquer ce décret. Quelles sont les structures euh, ou juridictions qu'il faut saisir en cas de violence basée sur le genre en période de conflit Alfred euh, Goubagé. Euh, très bien. Donc, il faut saluer les actions de toutes ces institutions qui interviennent. Mhm. Vous avez par exemple au niveau étatique, mhm. au niveau des ONG et associations, mm, vous avez comme par exemple le cas de l'ONG FAD. Mhm. Je voudrais préciser que justement j'ai vu des dépliants conçu par l'ONG FAD dans le sens de la vulgarisation de, ce décret. Mhm. Donc l'ONG FAD a eu justement a eu beaucoup dans le sens de la sensibilisation afin que ce texte-là soit connu. Il faut saluer cela au, au passage. Mhm. Donc euh, je disais qu'il y a plusieurs structures. Mhm. Je vais commencer par les structures étatiques. Quand par exemple vous constatez, ou bien quand par exemple il y a ces cas de, de violence, il faut parler de la prise en charge. Prenons l'exemple du viol on est tous d'accord que le viol est une conséquence, peut être une conséquence des, conflits. En mhm. zone de conflit, on peut assister à ces genre de violence basée mhm. sur le genre. Donc, si nous prenons le cas de ce viol, une fille ou une femme violée doit être prise en charge, doit mhm. être accompagnée. D'où la question des structures d'accompagnement, comme vous, vous, le dites Donc, on va revenir sur les prises en charge, mais au niveau, par exemple, du point de vue la gendarmerie, par exemple. La gendarmerie est une structure étatique mise en place pour recevoir les plaintes, pour mhm. écouter les, victimes. Mhm. Vous avez les services de la police, mhm. vous avez les services de la justice. Le juge des mineurs, il est là pour écouter également toutes ces questions ces, abus ces mineurs, ces enfants. Pardon. Donc, donc, à ce niveau, nous sommes euh, au niveau pénal. Et au donc, niveau pénal, tout Quelles à fait. sont les sanctions prévues justement alors On constate un cas de violence basée sur le genre. Je prends... Quelles sont les sanctions selon les cas en fait Oui, je vous prends l'exemple du viol dont, dont je mhm. parlais tout à l'heure. Quand vous prenez notre code pénal nigérien, mhm. il prévoit par exemple qu'en cas de viol constaté, je ne parle pas des allégations, mhm. puisque l'allégation et une chose, les faits mhm. en sont une autre. C'est-à-dire une fois que le juge, euh, déclare le la personne coupable, des faits, les sanctions prévues. Vous avez par exemple un emprisonnement, parce que le viol, il faut le dire, c'est un crime. Mhm. Il est considéré comme un crime par notre code pénal. Donc, la, la, la, personne coupable peut être condamnée à une peine de 10 ans à 20 ans d'emprisonnement, plus une amende de 10 000 à 100 000 francs ça. Donc ça, c'est par exemple pour le cas du, du, viol. du, viol. Donc vous avez... Il y a d'autres infractions, il y a les exploitations sexuelles, on fait placer une fille ou une jeune fille ou une femme, et là, il y a des abus sexuels, tout ça qui arrivent. arrive. Nous avons euh, l'attentat à la pudeur, nous avons en tout cas, il y a plusieurs infractions euh, de ce point de vue qu'on retrouve. Ces violences sont énormes. Donc notre code pénal vraiment a prévu tout un arsenal de sanctions mhm. en cas de commission de ce genre d'actes. J'ai pris juste l'exemple du viol. de la même manière que le viol mhm. est reprimé, eh bien, ces autres infractions également sont primées. Je n'ai pas pris le temps de classifier ces infractions avec les différentes peines. Mais si pour tous ceux qui sont intéressés, qui veulent connaître davantage, prenez tout simplement notre code, pénal. Vous allez voir mhm. la classification de toutes ces infractions-là, ainsi que les sanctions qui y mhm. sont appropriées. Une autre question par rapport à ça, c'est est-ce qu'il peut y avoir des sanctions qui peuvent être appliquées au niveau international Ah, très bien. Très bien, il faut bien, vous faites bien de le dire. Vous savez, il y a une coopération euh, internationale en matière de justice. Mhm. Puisque nous sommes euh, sur le thème des conflits armés, il y a une thématique qui fait beaucoup couler d'encre, qu'on appelle la répression des crimes de guerre. Parmi ces crimes de guerre, vous avez le viol, vous avez l'abus, l'attentat, la pudeur, etc., Souvent, c'est lorsque c'est commis en grand nombre. En grand, allez, oui, en grand nombre, en période de conflit. En période, de, conflit. Restons sur le champ mhm. <laughs> de conflit. Donc, en période de conflit armé, ah, justement, ces infractions sont réprimées. Mhm. Donc, vous avez les conventions de Genève et le protocole additionnel qui encadre cette répression. Au niveau international, on a eu l'adoption du statut de Rome, mhm. le statut de la Cour pénale internationale. Si vous prenez dans ce statut de, la Cour pénale internationale, on a défini, on a classifié toutes les infractions mhm. qui sont constituées de crimes de guerre. Vous avez le crime contre l'humanité, le crime de, génocide, vous avez le viol, le meurtre à outrance. C'est d'ailleurs des crimes imprescriptibles. C'est-à-dire, quel que soit le nombre d'années, que peut être poursuivie. Vous pouvez être poursuivi. Justement. Alors que pour d'autres crimes, c'est prescriptible. C'est-à-dire si ça fait 10 ans, il n'y a jamais eu d'action, c'est fini, ça passe. Il ne peut pas y avoir de sanctions pénales Tout à fait. Donc là, en mhm. fait, le mécanisme, c'est, si vous voulez, une certaine coopération mhm. entre les juridictions nationales et internationales. comme par exemple, au niveau national, les États décident de se dessaisir de l'affaire, mhm. les juridictions nationales sont compétentes pour connaître la situation. Mais tout comme euh, en cas de manque de volonté, par exemple, mhm. politique, les juridictions internationales telles que la Cour pénale internationale peuvent se saisir des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide, des viols commis en période de conflit armé pour juger les mhm. auteurs. Mhm. Donc au niveau international, justement, il y a cet arsenal-là juridique qui existe il y a des institutions telles que la Cour pénale internationale qui existent et qui mhm. peuvent poursuivre les auteurs de ces infractions commises en période de conflit armé. Merci Alfred Goubadieu. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, vous êtes le président du Raza Fano Aziri, il a parlé de sanctions. À votre niveau, est-ce que vous pensez qu'il y a lieu d'appliquer ces sanctions pénales pour euh, arriver à lutter efficacement contre ces violences basées sur le genre en période de conflit Tant qu'on n'applique pas ces sanctions, les violences vont continuer. Donc, il faut qu'on applique ces sanctions et il faut qu'on accompagne ces femmes à dénoncer. Mhm. Parce qu'on se retrouve avec des femmes qui refusent de dénoncer ou bien des femmes qui se dénoncent et qui se rétractent à la dernière minute. C'est vrai que c'est des aspects tabous parfois qu'on retrouve mhm. parce que quand la femme dénonce, on pense qu'on lui colle des étiquettes, c'est ça Justement, la société lui colle des étiquettes. Cette mhm. femme est rejetée non seulement au niveau familial, au niveau de la société aussi. Parce qu'une femme victime de viol, Déjà, le viol, c'est un tabou. Tout ce mhm. qui est caractère sexuel, c'est un tabou dans les familles et dans mhm. la société. On, préfère ne pas en parler. On ne préfère ne pas en parler, on préfère ne pas afficher. Des fois, la famille préfère même faire quitter cet enfant pour l'amener dans d'autres familles d'accueil, mhm. juste pour matérialiser ou bien pour masquer cet aspect de viol. Mhm. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, vous pensez Il euh? Il a lieu d'accompagner psychologiquement ces femmes mhm. pour les aider, les accompagner. Les... D'abord psychologiquement, ce sont les femmes victimes, mais d'abord lorsqu'elles ne sont pas victimes, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire euh, à leur égard Les sensibiliser. Les sensibiliser. Les sensibiliser par rapport aux violences basées sur le genre, par rapport à la thématique d'abord mhm. de violences basées sur le genre. Qu'elles soient d'abord édifiées sur la question. Voilà, et aussi les former par rapport aux voies de recours mhm. en cas de violence constatée ou subie. Mhm. Et ces femmes qui sont victimes de violences, il faut les aider psychologiquement, mhm. les pousser à dénoncer, les pousser à aller au niveau de la police. Il faut briser donc euh, le silence. Le silence en général autour de ces tabous qu'il y a autour des viols, des violences basées sur le genre, des violences basées sur le genre et à l'encontre des femmes en général. Pensez-vous que ces violences euh, basées sur le genre peuvent donc être euh, éradiquées Bien sûr. Avec une sensibilisation à la base, à la racine, elles mhm. peuvent être éradiquées. Quand vous dites à la racine, ça veut dire c'est-à-dire inculquer ça dès au niveau scolaire pour ses enfants, mhm. pour qu'ils puissent grandir avec ça et qu'au niveau mental, dans notre changement de mentalité, qu'on change nos mentalités par rapport aux violences, par rapport à ceux qui amènent ces violences, par rapport à la vulnérabilité de la femme mhm. en général. Donc l'école peut être euh, un, moyen un, de sensibilisation, un moyen de changement de mentalité, avec l'appui des ONG, avec l'appui étatique. Ça veut dire qu'il faut que l'État agisse pour que l'enseignant puisse avoir ce rôle, qu'on ait un domaine, une matière où il faut dans, pour ça dans le curricula des élèves. Merci à vous, Fana Waziri. Je rappelle que vous êtes la représentante de l'ONG FAD, Femmes, Action et Développement une euh, ONG qui œuvre donc euh, dans le domaine de la promotion des droits de la femme. Alfred Goubadier, nous sommes euh, pratiquement vers la fin de ce forum de Studio Kalangu. Pour terminer, d'abord les violences basées sur le genre en période de conflit et les situations d'urgence peuvent-elles être éradiquées au Niger Si oui, comment y arriver Monsieur Michel, il faut voir la réalité en face. Mhm. Les VBG, dont nous parlons mhm. sont la résultante des conflits. Nous sommes en train de parler des violences basées sur le genre en période de conflit. Donc, il faut d'abord traiter la question des conflits, puisque c'est parce qu'il y a conflit que ces violences sont arrivées. C'est transversal. C'est transversal. Donc, il, faut d'abord traiter le problème à la base. Mhm. Pourquoi le conflit Quelles sont les causes de ce conflit Si nous arrivons à asseoir, à créer un climat de paix et de stabilité, mhm dans notre pays, mhm. dans les différentes régions, il y va de soi que nous arrivons à maîtriser la question des violences basées sur les mhm. gens. À diminuer donc euh, les violences. Vous allez constater qu'en temps de paix, mhm. la fréquence n'est pas la même qu'en temps de crise. Je vous donne un exemple tout banal. Quand aujourd'hui il y a des manifestations, des troubles et tensions internes par exemple, tout le monde ou les, personnes souvent qui ont un dessin mal intentionné peuvent profiter de la situation et leur objectif, c'est de fuir et commettre des forfaits. Bien sûr. Vous voyez Donc, mm. ça veut dire quand il y a crise, souvent la situation est incontrôlable. Et dans mm. cette masse, les uns et les autres qui ont des intentions mauvaises mm-hmm. peuvent profiter de la situation et commettre d'autres forfaits. Donc, c'est pourquoi nous estimons qu'il faut d'abord régler la question des conflits. Mm-hmm. Créer les conditions de paix et de stabilité. Mm-hmm. Et je crois que, euh, à différents niveaux, tant l'État les partenaires et les organisations sont en train de, de faire de leur mieux mhm. pour justement créer ces conditions de paix et de stabilité. Notre souhait justement, c'est vraiment que tous les acteurs continuent, main dans la main, à lutter efficacement contre ces violences, contre mhm. les, conditions ou les causes qui créent cette déstabilisation de notre pays. Mhm. Une fois que cela est créé, nous pouvons facilement créer les conditions pour arrêter ces violences. Il faut donc créer les conditions propices à la paix, à la, stabilité. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire Vous avez dit que naturellement, on a compris pour qu'il y ait moins de violence ou pour qu'on n'ait pas du tout de violence basée sur le genre, si cela est possible. En période de conflit, ce qu'il n'y ait pas de conflit, c'est ça votre souhait. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en dehors de ça Il faut continuer la formation. La formation, la sensibilisation. Comme dit, comme, il faut continuer la formation. Euh, mhm. Après, si les populations ne sont pas formées, informées, sensibilisées, mhm. on peut avoir souvent, si vous voulez, des, petites failles mhm. qui peuvent intervenir. Mais si le peuple est formé et éduqué, sensibilisé, il peut rester autour de ses valeurs. Mhm. Il peut rester autour des idiots de la République, des idiots de paix et de stabilité. Et ce faisant, je crois que nous pouvons vraiment arriver au bout de, de ces situations. Fana, avez-vous un appel pour terminer puisque nous sommes au terme du forum justement Rapidement. L'appel que j'ai à lancer par rapport à la population nigérienne, c'est d'être solidaire, mhm. de cultiver la paix, de cultiver la cohésion sociale en général, si on peut le dire, mhm. et aussi de s'aimer. Parce que quand on s'aime, il y aura la paix. Quand on s'aime culturellement, quand on s'aime sans différence de sexe, de genre ou bien de culture, Là, mhm. on peut dire qu'il y aura la paix et quand il y a la paix, il n'y a pas de violence. Il faut donc euh, cultiver l'amour entre les citoyens, la fraternité entre les citoyens au sein d'un pays, la solidarité également, si je comprends bien ce que vous voulez dire. Merci à vous, Madame Fana Waziri. Vous représentez l'ONG FAD, Femmes Action et Développement. Fidèles auditeurs, nous sommes à présent au terme de ce forum du studio Kalango qui a eu pour thème Violence basée sur le genre en période de conflit et dans les situations d'urgence. Nous retenons qu'il y a donc euh, plusieurs euh, violences euh, basées sur le genre et dans les situations d'urgence qu'on peut constater. Le juriste a eu à expliquer les violences économiques, le fait que les femmes ont peu de ressources et cela peut les rendre donc vulnérables dans la société où nous sommes. Nous avons également des violences culturelles, notamment la question de la déscolarisation de la jeune fille. Nous avons d'autres violences en lien toujours avec les violences culturelles. Mais face à tout cela, il faut appliquer les tests, il faut appliquer le décret portant protection de la scolarisation de la jeune fille et tous les autres tests en vigueur qui protègent donc les femmes, les jeunes filles en période de conflit et dans les périodes de situation d'urgence. C'est cela le souhait des deux invités que nous avons reçus pour euh, ce forum de Studio Kalango. Nous étions donc euh, en compagnie de Monsieur Alfred Goubaye. Il est juriste de formation et président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme, Raza Press, DIH, DH. Nous avons également comme invité Fanna Waziri, Elle est la représentante de l'ONG FAD, Femmes Action et Développement. Nous disons un sincère merci à nos chers invités d'avoir accepté de venir répondre à nos questions ici au studio Kalango. Merci également à vous, chers auditeurs des 46 Radio, partenaires de Studio Kalango, grâce auquel vous nous suivez au micro. C'était Michel Deji à la présentation de ce forum. À la technique euh, Seini Isaka, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Au revoir.